nigérienne, nigérien mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Eh sachez que le nom Covid-19, c'est moi qui l'ai créé. Et c'est après des recherches et des milliers de recherches, j'ai compris que quoi Une grande légende nous a laissé des œuvres comme suit Commandant Zabra, Ventripotent. Infliumento d'Ajikan qui est mort en 2019. Maintenant, analysons tout ça là ensemble. Ça va nous donner quoi Genre, prenons sur chaque nom la première lettre. Commandant Zabra, c'est deux noms, on prend CO. Ventripotent, c'est un nom, on prend le V. Infliumento, on prend le I. D'Ajikan, on prend le D. Mort en 2019, on prend le 19, ce qui fait COVID-19. Chers amis de l'émission, <laughs> tout ça la fada, vous kiffez cette rubrique un peu partout au Niger à travers nos 45 radios partenaires. Cette nouvelle rubrique donne la possibilité à nos artistes, humoristes, chanteurs, peintres, etc., etc., de s'exprimer. Aujourd'hui, nous recevons sur cette émission un polyhybride. Polyhybride, pourquoi polyhybride Eh ah bien, polyhybride, c'est parce que il y a beaucoup de plans dedans. D'abord, ouais, parce que <laughs> d'abord je fais de la danse, je chante, je suis comédien, je suis chanteur, acteur, je suis humoriste, chanteur, et tout ça là. Ok. Et après quand tu regardes euh, sur le plan national et international, d'ailleurs je tiens à dire à toutes les femmes et les hommes mariés, si vous voulez que un euh, votre enfant ait un avenir garanti, donnez-le le, nom de Amadou. Parce que si tu regardes sur le plan international, <laughs> On a beaucoup d'Amadou. Ah ah. D'abord, Amadou Ampateba. Amadou Ampateba. Amadou Kourma. Amadou Jawara, Amadou Diawara. Amadou Footballeur international de la Guinée-Conakry. Oh, ok. ATT Amadou Toumanou Touré, un président. Un président qui ne Donc, si vous regardez, eh, il y a Amadou Salifou, il y a Amadou Emari, et à cause de la valeur de mon nom, tellement que les Français ne peuvent pas octroyer ce nom à leur enfant, ils ont créé sa dérivée, c'est-à-dire Amadoué. Flatter quelqu'un afin de l'exposer à ce que tu veux. Donc, du coup, il s'appelle Amadou Limouris, mesdames et messieurs. Alors, on va parler de cet artiste sur cette émission. Amadou, qui est véritablement Amadou ah ben véritablement. <laughs> ouais, en de tout, mon... pour moi en fait. <laughs> ouais. Ah. à l'état civil, je m'appelle Ali Moussa Amadou. Ali Moussa Amadou. Oui, étudiant à la faculté d'agronomie. Ok. Deuxième année. Euh, mon nom d'artiste c'est Amadou l'homme polyhybride. L'homme polyhybride. Comme euh, polyhybride qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Bien sûr. Euh, moi, je dis la comédie d'abord c'est un truc que déjà si on peut le dire, tous les tous les Africains ont la comédie de leur sang. Mhm. Et c'est un truc qui est parti partant d'un de ce que je fais tout le temps à la Fada. Mhm les amis m'invitent à faire des choses. Jusqu'à ma première scène, je l'ai fait en improvisation. Je vous J'ai fait plus j'ai fait environ 14 minutes sur la scène sans le savoir et c'était nickel. Les gens n'ont jamais su que c'était la première fois. On va donc euh, parler euh, bien évidemment de ta première scène. C'est important pour permettre à nos amis euh, auditeurs, auditrices qui kiffent cette émission à travers nos radios partenaires de savoir qui est véritablement l'homme. Alors tout est parti d'où, s'il te plaît, Amadou Polivri c'est parti d'abord euh, du lycée municipal. Lycée municipal. tu euh, étais en quelle classe Première. C'était en quelle année euh, En 2013. Explique-moi le contexte dans lequel tu as commencé l'humour. Le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé à Madou pour Ce qui s'est passé, c'était à la journée culturelle du lycée municipal. Ouais. Et en ce temps, eux, ils font toute la semaine d'ailleurs. Et c'est là, un ami est venu me prendre à l'école. Il m'a dit Amadou, viens, il y a quelque chose de notre école. Je veux que tu nous fasses de l'humour. Parce qu'il voit, je fais les trucs de Agalawal, je les maîtrise. Et donc, il m'a dit, essaye de trouver quelque chose que tu vas faire. <laughs> je suis venu, j'avais même pas assez d'habillement pour. Euh, j'ai juste pris sa chaussure, euh, j'ai mis dans. Et ses chaussettes, j'ai mis l'autre pantalon dedans, j'ai fait des trucs, un truc comique à façon. Uh-huh. Après, je suis monté. Déjà que j'ai eu ce côté danseur là dès le, bas âge, que j'ai continué à, à, améliorer. Donc, il m'a aidé. Uh-huh. C'est dans ça que j'ai fait euh, euh, les deux cas de Agalawa. Mhm. Après les deux cas, j'ai fait j'ai dansé Oku avec les gens en Oku de Timaya. Oui, bien sûr. Voilà, on a fait ça. Après, c'était un, autre euh, sketch que j'ai fait. Les gens, même maintenant à l'université, il y a des gens à qui, qui ont toujours la vidéo. Et un jour, je les ai dit que c'est ma... que tu as tapé fort. J'ai tapé fort. <laughs> Comme d'habitude. Mais quelque part, on m'a dit que tu as l'humour dans le sang. Et tu me l'as aussi dit, certainement, hein, une fois, tu te rappelles ouais. Hors tu m'as expliqué que tu as hérité l'humour du papa sans le savoir. Parce que c'est quelqu'un avec qui tu poses de la fada et vous avez l'habitude des chants. Alors explique-moi un peu cette contamination. En fait, euh, le papa, même de la famille, tout le monde a signé que lui, c'est il est comique. Et quand il vient dans le coin, il me le fait, il me Il, fait son one man show. Ouais, mais c'est qu'il <laughs> a, il a dû abandonner ça et du coup, il nous a forcé à laisser ça parce que ça, c'est à cause de ça même. Il n'a pas trop aimé quand j'ai commencé ça. Ouais, parce qu'il se dit que, bon, écoute, je vois quelqu'un euh, qui va beaucoup me ressembler et du coup, eh, qu'est-ce qu'est-ce qui l'a mené à te dire de ne pas le faire Que eh, le truc n'a pas d'avenir pour lui ou c'est quoi le truc Là, je ne sais pas. Jusque-là, je ne connais pas la raison. Mais attends, toi, de toi en tu te retrouves dans l'humour ici au Niger oui, je me retrouve, sûr. Est-ce que tu. C'est grâce à ça que j'arrive à payer les cours à la fac. Ah. Je m'habille, je mange, je fais beaucoup de choses. Et j'ai même une moto, <laughs> comme tu le dis. <laughs> Il a une moto. <laughs> Ah ouais. Dans la comédie. Mesdames et messieurs, c'était le premier angle. On se prend donc demain, plaisir à Dieu, pour parler du parcours du combattant. Eh ben, c'est que Polybride a eu à faire courant sa carrière artistique. C'est sur l'émission, eh, ça serait sur l'émission Franco-Germain un espace du studio Kalangou. Sur ce, nous vous demandons, mesdames et messieurs, de rester en compagnie de l'émission Tous à la Fada. La suite dans un instant avec la rime Rim. Hey.